mais mais dafay tàng jër mais au bout du compte su nee ci ligne droite deug ah. mais on accepte que nit ñi deug li ngay deug ni duñu ñu. on a pas de problème avec Augustin on a un problème avec une fédération qui est mal gérée. Et puis, pas maintenant. Vous ne répondez pas aux correspondances. Vous êtes incapable de trouver des partenaires. En 2009, ah, quand le président <laughs> Augustin prenait les rênes de la fédération, la fédération ne peut être attaquée que sur un bilan sportif. Mais sur le plan de la gestion. Il faut ah, que nous attaquions une pompe. Parce que nous téléspectateurs, on boucle une pompe quand on arrivait en 2009 avec le président. 77 864 30 30 Vous que affaire pour. pour rassurer le président ci en 2009 quand on arrivait, arrivé. on s'est cotisé. On mm-hmm. cotisé pour Mbour Touré Kunda. Augustin cotisé pour Gorée les gens se sont cotisés. Ah, on a trouvé un chèque de 50, 30 millions de francs de l'IEMOA. et d'ailleurs, comment on appelle ça insolvable. zéro franc aujourd'hui on peut se targuer au moins la fédération qui a 10 milliards, 9 milliards, 7 milliards. que il y en a qui font pour vos, clubs sont vos clubs Ok, allez-y rapidement. Quand les clubs se cotisaient, aujourd'hui, oh, ils ont reçu 6 millions. Les clubs se cotisaient pour 6 millions, Ligue 1. Aujourd'hui, Ligue 1, 6 millions. Et ils se cotisaient au départ. L'information, c'est que cette année, uh-huh. pour la première saison de démarrage, nous avons le 700 millions de créances de la Fédération sénégalaise de football. Euh, n'est-il pas aberrant d'entendre la fédération parler de 700 millions de francs CFA de créances à l'État Je crois que ce, n'est pas une dénonciation. Mais pour des soucis, mm de traçabilité et de sincérité au plan comptable, on a été obligé de rapporter ces 700 millions-là. 700 hmm. millions non mais attends dénonciation peut musuñu réclamer. Ah. mais moment il faut le marquer dans les comptes. il faut compte euh, la hmm. coupe du monde. du hmm. monde. au Qatar j'étais au Qatar. y des Sénégalais yu fa nekkoon. yoo xam ne ils étaient dans le golfe wala ñeneen ñu jóge woon fii dem ñi fa ñëwoon ñëpp bien yooyu lañ doon jël. vous avez eu un accord de l'État sur ça avant. non mais bien sûr mais bien sûr ça c'est inadmissible. que même l'État du Sénégal paye. mais euh, mais mieux encore. non c'est un message fort à délivrer. moi j'étais acteur dama mhm. fekke. Mhm. dama fekke te amul kenn ku ma jaral 700 millions yi lan la 700 millions qu'est-ce qui se passe. waaw lan la mooy am na ci benn partie boo xam ne. Mhm. dañ ci jënd billet. pour sénégalais yi fa nekk parce que fay ñu nekkoon ci délégation ñoom ñoo amoon seen accréditation ñooy dugg keneen ku fa dugg dangay ngay fay sénégalais bu mu manti doon ngay vice président ngay ministre ngay leneen yoo fi jóge bari nañ te bul fàtte ne mm-hmm. bu ñuy dem campagne yooyu mm-hmm. euh, fédération dafay am délégation mm-hmm. ministère des sports am ñu mu dugal ci délégation ñoo xam ne ñii présidence la ñuy joge ñii douzième gaynde la ñuy joge ñii primature la ñuy jóge ñii ale Casa ñii lébu gi ñoo ñëpp c'est la fédération mais état du dem ci FIFA di jëndi billet di traité fédération mooy jënd ngay jaar moom mooy dem di jëndi mais la fédération peut payer non non la fédération la fédération a payé beneen bi mooy il faut loolu mu leer dafa am ay dépenses yoo xam éligible parce qu'il y a un comité mixte boo xamante ne bu dem compétition internationale entre le ministère et la fédération mmh. ñu def expression de besoin expression de besoin bu amee du fédération moo koy exécuter xaalisu état du dugg ci caisse fédération Dans du ministère des sports mooy exécuter l'ensemble du budget il peut arriver que nous ñoo am ay détails am ay retard ñu demander à la fédération de payer Je ma bëgg a terminer mmh. vous vous souvenez que demoon nañu ba Sénégal amut ñu woon stade homologué Mm-hmm. on allait jouer nos derniers matchs en dehors du Sénégal. Tout mm-hmm. ministère des sports am difficulté pour réfectionner Lat La fédération génne xaalisam. Mm-hmm. def ko Lat Dior ba Lat aux normes dernier match qualificatif il ñu yóbbu CAN Cameroun bi ñu gagné foofu lañ ko jouer. mieux encore su nekkul ne Covid bi moo dugg ci diggante bi président l'ancien président tabax le stade Ablaye Wade. Égypte Sénégal naruñ pas woon jouer Sénégal en dehors du Sénégal lañ ko naroon Sénégal n'avait plus de stade homologué ci lañ jël benn partie xaalis bi def ko Lat Dior mettre ko aux normes ñu recevoir fa suñu dernier match qualificatif yi ñu ñëw Cameroun ñu gagné CAN bi d'accord xaalis boobu mooy 700 millions yoy ngay dégg d'accord une partie c'est les travaux de Thiès une autre partie c'est les la billetterie à la coupe du monde de Qatar d'accord tout à l'heure ñu jël ko ci ligne bi ñu ñëwaat ci ligne salam alaykoum sëñ bi na nga def salaamaaleykum salaam aha ñu ngi lay nuyu waaw man la Abdou Hadj coordinateur national des clubs amateurs du Sénégal ah d'accord naka nga def sëñ Hadj maa ngi sant yàlla baax di nuyu yéen ñëpp. ayca ñu ngi lay déglu. ñu nuyu président Mamadou Diouf Dia Jamil président Jamil. bon ngeen baal ma nag ki nga xam ne la la kii soo simis bu wax ne damaa fàtte tur bi. Pape Mbodj. Pape Mbodj di nuyu Pape Mbodj. waaw di Pape Mbodj tax ma dugg sax. parce que boobu léegi mu ngi mu ngi wax ne nit ñi dañoo tout ça pour pour rien. bu ma préciser que la ya, première convocation li indi won ciow li du du rek manque eh, eh, respect de délais yi mais dañu dugon ci dañu dugulon ci ordre du jour bi assemblée générale ordinaire la révision des textes révision et adoption des textes na ko na bu baax Lolu kess mo indi won ciow li Lolu tax ñu insister sax su lekon na loolu nit ñi duñ dem ba fi. Bi mhm. textes yoo xam ne yi Sénégal yi mais kan mo kan mo wax ni gis na ko ci ordinateur lañ ko tek di di woné ñu ko ñu ko wu li ñi lolu lolu lañ bëggoon mu am transparence mhm. li football sénégalais bi nak ñu ko bëggee euh bu amé ño xamni ñi dañoo nekk à la base euh, euh, créé seen mouvement depuis 2022 presque en début en début deux mille affaire assemblée daal ñëwagul na nouveau régime ñëwagul kon dama yaakaar ne buñ bëggé defar nañ am un respect au président de club yi nga xam ne ñoo gis ne ci suuf am na kës kës suuf kenn départ comme ni ko ni ñu ko defee woon dans le cadre de CCPC nga xam ne président Mbaye Diouf Dia foofu nekk foofu. Mhm. ak man ñoo ko bokkoon ak ñoom Augustin ak Amadou Kanak tous ceux qui sont dans la fédération ñoom Abdoulaye Seydou Sow. Mhm. ñoo bokkoon cadre de constatation du président de dem ba def kii parallèle. Mhm. benn structure parallèle. mais malgré tout l' équipe l' équipe euh, sortante de Mbaye Ndoye Mhm. avait accepté de rencontrer une autour d'une table pour défendre tout football lui. Quand vous nous a des personnes qui ont ils attisent le feu. ba pare par manque de respect depuis il y a des journalistes qui parlent de cagouler, de n'importe quoi alors que cette structure a été créée il y a deux ans. avant même il y a eu des réunions à Kaolak en 2023 il y a eu une rencontre à, 2023 à Kafin, euh, avec le président euh, euh, Abdoulaye Seydou quand kon loolu rek war na du du nouveau régime moo ñu tax a jóg du ay élection moo ñu tax mais on a constaté que li nga xam ne moom CCPC boobu li nga xam ne ñoo ko bokkoon doon reproché l' équipe de Feu mbay Mbaye Mbaye Ndoye que dañoo focaliser trop ci équipe nationale A ah, bàyyi bàyyi base bi moom moo xew léegi te je peux le démontrer xëy émission bi xaju fi. dëgg la xam naa dañ lay invité nga ñëw toog fii di attiser le feu. Mm. di manquer respect nit que mën na leen toll. Mm-hmm. ndax vraiment. ku ci nekk bu nekkee peut être na da am foo nekk ñun faruñu fenn dañu dañu bug la football bi jëm kanam daan ko togg ñu autour d'une table mhm. il y aura jamais de euh, euh, euh, toujours nii lay demee beneen âge yi lay demee les gens vont parler parce que affaire dafa métti ci suuf à la base bu ñu yenoo lu diis nag ci yenn woon leen ko mhm. nangoo toog ñoom wax ak ñoom ba xam lan moo leen di métti xam lan moo métti nga bugg a nekk rek di di leen accuser de n'importe quoi yooyu ça n'avance pas les Merci à l'Assemblée, les gens ont demandé la parole, mhm. pas pour, pour, modifier l'ordre du jour, mais pour faire un amendement sur la prise de parole. Mandelo l'a demandé. Mhm. Pour permettre au, au président du club de prendre la parole. Parce que nous disions les représentants de Ligue, Il y a des mhm. représentants de Ligue qui ont parlé, qui ont tenu l'Assemblée d'ailleurs, qui, qui, qui, ont tenu les après le rapport d'activité. Alors que ça devait se faire avant le rapport d'activité avant le bilan financier, parce que la, synthèse des rapports d'activité des ligues mhm. devait figurer dans le rapport d'activité de la fédération. Mhm. Ça ne se figure pas. Nous avons mhm. la synthèse des bilans financiers des, ligues, le bilan ci bilan financier fédération nekk ci. beneen dans le rapport d'activité de, la fédération y y a un de fonctionnement des ligues alors que les ligues ont reçu, euh, d'après mes calculs, presque 356 millions de francs en 2021. Mmh. C'est pourtant que c'est les clubs qui cotisent pour organiser leurs matchs. Mmh. Les compétitions de la fédération qui appartiennent à la fédération sont organisées, par des cotisations au, niveau de la base. Bon, il y a beaucoup de points, nous avons, mais d'autres, vraiment, je tenais à rentrer à peu de Mbout, hein, mon, mon qui fait son langage, parce qu'à Guinée, nous n'avons pas respecté les gens, surtout, nous regardons jërëjëf aj jërëjëf aj jërëjëf ku ne am nga foo far mais dans la grande objectivité Moi, je pense que je suis resté courtois depuis, depuis le début de cette émission. Ouais, mais façon... c'est tout ça pour ça, ça je maintiens. Ouais, je maintiens. Chacun a sa position. franchement. Merci beaucoup, Président Attilinga. C'est un combattant du sport. Depuis c'est bien qu'on voit qu'il a voté. Et puis sa structure-là, elle est juridiquement non identifiée. Mais aujourd'hui. Ce collectif-là. Aujourd'hui. Il ne faut pas aussi lancer des pics comme ça, quoi. Président vous voyez, moi, rentrer dans une structure qui n'est pas légale. En fait, cette affaire-là, Diarou, un débat, ils se sont organisés en président de club amateur. Moi, je suis un président de club amateur. Djamil les On a dit au comité exécutif, au président de la LFA. La LFA, c'est les clubs amateurs. On ne peut pas avoir deux LFA dans une instance. Le président de la LFA rencontre ces clubs-là, il les a reçus. Donc, c'est un vieux débat. Si nous avons je crois que Ablaye qui est vice-président de la Fédération de football doit être au comité exécutif de recevoir recevoir glossés dans les et les doléances qu'ils ont posées sur la table c'est pratiquement les mêmes doléances qui reviennent au comité exécutif fédéral est-ce que vous jël après ne parce que ci lañ bokk après ci lañ bokk ñu jël xam nga ñooy les téléspectateurs ci ci émission bi la ñu bokk ñoom itamit. ay ca sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la di la déglu nga nga yow la kan. maa ngi lay ziar man la man la monsieur Diallo. Uh-huh. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. bonsoir monsieur Diallo ñu ngi lay déglu. merci. Uh-huh. di ziar euh, président président Mbaye Diouf. d' accord. président Diaby. Mm-hmm. ak euh, Pape Mbol. Mm-hmm. waaw donc man man man man man man damay xaw a d' accord un petit avec. Euh, réforme yi li président Jamil Diop. Mhm. may njëkk a sur la table anomalie yi nga xam ne moom laay gis ci football. Mhm. mënuma d'accord que ne un président de fédération nekk président de club. dafa am conflit d'intérêt conflit d'intérêt dafa am ci football Sénégal moo tax football Sénégal mënul décoller. allo. Ah, uh-huh. vous vous vous allez en France aujourd'hui. Mhm. Je donne un exemple. Euh, avant, Nathalie Boy de la Tour, mon euh, école président, de, la LFP, Bien objectif le gap entre les droits de TV en Angleterre Italie par rapport à la France. Mhm. Euh, je pense récemment vers la Brunio. Mais je pense qu'on peut prendre un grand monsieur qui, fait partie, du conseil d'administration. Nous mettons les gens Michel, Michel Olas. Mais Olas n'est pas candidat. Nous n'est que président Lyon, n'est que président LFP. Mhm. Aujourd'hui, de façon anomalie. On ne peut pas être président de club, être président de la fédération, être président de club, être président de la Ligue de football professionnel. Mhm. Ligue de football, le football, le football, le football, le football, la deuxième chose bi nga mhm. je le dis aujourd'hui as gagné un calendrier mhm. mais c'est un calendrier que nous ne maîtrisons pas mhm. le calendrier de la qui dit que journée tel, c'est tel contre tel deuxième journée c'est tel contre tel mais quand le jour calendrier boo xam ko du calendrier mais le début du championnat, c'est le 19, hein Oui, mais il faut, il faut un calendrier. Hein? un calendrier. Un calendrier. Hein? Un calendrier, il daté. Hein? Même s'il y a un événement, vous savez, il faut que nous ça, nous jour nous Mais Michel Diallo, c'est le 19, ans, ils ont dit que c'est le 19 le début du championnat. Ils ont dit. Je, dis, c'est le début. Mais c'est le début. Mais d'abord, un calendrier, on n'a pas fixé le 19, mais un calendrier, oui, donc il daté. D'accord. Journée par journée, nous savons tel jour, tel jour, l'Imo fait ça. D'accord. qu'est-ce que ça nous permet, c'est ce que ça peut nous permettre d'éviter Comment nous pouvons éviter l'eau Ce qui s'est passé il a quelques années à parce que de wara am, concert qui a le brique en bas. Nous avons acte Mbour, parce que concert a brique mo am. Les événements. Oui. Mhm. Donc, vous avez daté, vous savez à telle date, Mbour, vous savez à telle date, man warna réserver. Mhm. a du am. Effectivement. il faut ñu dakkee calendrier bi. Mhm. gis nga football bi buñu bëggé mo avancer buñu bañ buñu bañ critique. Mhm. football bi buñu man man je vois que les gens là dañu dañu dañu dañu dañu wu. Mhm. tout temps s'il y a quelqu'un qui dit la vérité dañ naan voilà dafa bëgg porte wala wala comme l'a dit tout à l'heure pa kii ñu tëmbal dañ ñu bëgg a jaxase ak ministre bi. non ñun public sénégalais bi ñun ñun ñamoon football Sénégal bëgguñu ay Tanzanie ay Mauritanie mais ne serait-ce que le football Mauritanie il il joue avec la VAR cette année.

accepter accepter que le football bi pas benn groupe bi rek ñoo koy c'est pas possible. merci beaucoup monsieur Diallo ci contribution bi merci beaucoup xam naa dañuy arrêter un peu un peu appel yi il demaat ci kanam may gars il y a beaucoup de réponses yoo xam ne mën nañ c'est-à-dire que cette vision manichéenne hmm. de présenter le la fédération sénégalaise je pense que il faut que Nini fasse faire preuve de de modestie parce que pour nous ambition de présider au dessin de ce football là ëpp ñu leen ambition gënuñ leen bëgg lu baax gënuñ et qui ont fait des résultats. et qui ont fait des résultats. Hmm. Nous, nous la seule fédération malgré tout li hmm. à avoir remporté en un en cinq trophées continentaux Belle fédération du Brésil du France d'Angleterre. ensuite les environnements. l'environnement. Hmm. D'abord, le monsieur, il parle de fédération, ensuite il ah, parle de Nathalie Boy de la Tour. Non, attendez, c'est une confusion de genre. La fédération n'est pas la ligue professionnelle. C'est pas du tout. la ligue professionnelle, c'est un conseil d'administration. Qui, qui, qui, dirige la, la, la Mais, la, mais il a de la Ligue de professionnels. il, a parlé de, de la Fédération. Non, attends, il est parti de la Fédé pour arriver à la Ligue. Pour moi, il y a mélange de genres. Mm. Ce C'est pas du tout la même chose. Mm. Non, Non, c'est pas du tout la même chose. La Fédé n'est pas la Ligue. La Fédération, elle est association. Mm. Elle est membre de la FIFA, elle est délégataire de pouvoir. Mais une Ligue professionnelle, elle est subdélégante. Et pourquoi la Ligue professionnelle en France paye euh, des milliards à la Fédération Mais c'est encore, mais les environnements ne sont pas les mêmes. Pourquoi on ah, est... on a, ah, non, laisse-moi ah, terminer. En France, mais est-ce que l'environnement n'est pas le même Mais si on a le président, laisse-moi terminer. Guingamp. Non, laisse-moi terminer. Après, non, il a dû démissionner. Il a démissionné. Non, non, mais il a démissionné. Avant, c'était pas ça. Ok, d'accord il y a une évolution question pour savoir. il y a une évolution nous notre professionnalisme date de. 2009 donc on est on est on est une jeune ligue professionnelle. on ne peut pas du jour au lendemain arriver au même niveau au même standard que la France. ensuite hmm. pourquoi on ne maîtrise pas notre calendrier chez nous. on n'est pas propriétaire de nos stades. c'est différent en France. là on est sûr que au groupe Stadium à telle date, il y aura tel événement. Au Parc des Princes, telle date, il y aura. Au Vélodrome, etc. etc. Mais au Sénégal. Ah, il a donné Mais pas, le Parc des Princes n'appartient pas au Paris Saint-Germain. Mais il y a une convention qui lie le Paris Saint-Germain à la ville de Paris, eh, eh. bien sûr. Mais à Dakar, aujourd'hui, si on voulait attribuer le stade de d'Embo lorsque les travaux auront terminé, mm. au Jaraf, est-ce que les autres

<laughs> mais xale day day day day day raam. doxantu daanu jóg jubbanti ko ba daw. on est pratiquement ñu ngi ci on est à euh, une dizaine d'années années du professeur France ils ont presque 40 ans pour en arriver là. absolument plus de quarante ans mais les pays les va au pays africain, au sud afrique va au Maroc qui est le président de la fédération marocaine. Euh, Fouzi Il est président de quel club euh, Et en plus, il est, ministre de l'économie, En Il est ministre du budget. Il est ministre du budget. Tu peux en citer des milliers et des ah. milliers. Hmm. Aujourd'hui, la Ligue professionnelle. Celui qui voulait être président là, en RDC, comment il s'appelle encore Le président Moïse de Mais au Togo, le, ministre, le ministre le fils de Eadema, moi, suis président de la fédération en tant que ministre. Aujourd'hui, en Afrique, la femme, conception, il faut que nous défions Effectivement. On n'en est pas encore arrivé là. On est tout jeune. On est dans une Ligue qui a fait même pas 20 ans d'exercice. Donc, on a fait des, des, étapes énormes. Mais n'empêche, président aussi. Il faut que... Ce qu'il dit sur la Ligue. dafa ne dafa fekk tubaab bi non excusez moi. waaw xaaral ma ñëw ci laaj installation yu ñaaw. installation yooyu. moo ñu gañeloo Chan. moo ñu gañeloo gañeloo ñu UV. mais Pape dëkk mu gën a mucc ay koo gënoon. waaw d'accord. loolu c'est yooyu muy non. noonu en Afrique. on est parti en Afrique. xasu ko dafa fekk rek ñu xas. non non non non désolé Mbaye c'est que Diallo après 15 minutes de temps de parole. non non après vous allez parler. j'ai dit li Diallo wax professionnel, professionnelle ñu ngi une personne neutre qui peut gérer ça. réfléchir. on en arrive mais à la fédération la fédération est composée des membres il faut être président d'un club. pour être candidat à la présidence de la fédération. peut-être suñu la ba comme nous on l'avait dit que même quelqu'un leur dit que comme l'a dit Jamil suñ koy loolu moom du pour être président de la fédération. Il y en a peut-être qui bu président de la fédération Bah seen. moo ko wax ah dégg interview hein. il a dit clairement. ma priorité c'est mon club.

Ligne diabolisée le collectif des clubs amateurs Pas ce collectif là ah, euh, ils ont déposé des papiers ou nous avons déposé des papiers pour que ce soit une association formalisée formalisée et les papiers sont sortis ah, les papiers sont sortis donc nous avons di et moi juge le président Haït que nous ñu un en communiqué et que club yi nek ci biir yëpp ñu genn sen bop ñu xam leen. Ah, on n'a pas besoin de se cacher. Ah, parce que ça va ça va gis nga nee naa man du dugg si lu fayda. Mhm. Ah. et j'ai fait exprès la dernière fois bu suma une dem réunion j'ai envoyé toujours quelqu'un biñu ñu réunion Dakar dama ñëw pour montrer aux gens que je suis là-dedans parce que dama déggee Ablaye Sow ak ñeneen ñuy wax ay kaguleeg yoy Jamil fay musul sol kagul vous vous savez très bien. Ablaye il est tout comme vous il est il a le courage de ses idées. Ablaye je le connais très bien donc xam na dama ne ah. moom utiliser cette expression de cagoulé. Mm. ma répondre ko ne nous ñun sommes ñuy sol cagoule du ñuy raser ay murs lépp lu ñuy def day on est courageux on est là-dedans et on se bagarre là-dedans ba mu jeex qui, dëggal na tey lu am solo ba ñu mm. naan euh, ñii li ñuy def du parce que vous faites qu'on l'ordre l'ordre am CPC du am ba ki di ñeu di euh, euh, président Augustin Senghor di président parce que à l'époque football dafa jaxasoo selon vos termes président de club organisé où pour changer quoi c'est la même chose qui est en train de se passer donc ce qui est grave dans ce document bi nga mhm. hein, dans les décisions en matière de gouvernance la fédération et son comité exécutif a, a demandé à ce que l'Assemblée générale les autorise à mettre en demeure le collectif des clubs. C'est extrêmement grave. Vous nous dites qu'Augustin Senghor, c'est un gentleman, tout ce que vous voulez. On n'a rien contre Augustin. Vous rapport imam Augustin, je le répète toujours, avant mes ex football, Augustin, je me appelé, je me goré de ma poche, ken ken fekkuma ci ma doon demal oh, sama bop diko Augustin dañ doon tok kan ñuy dajé ay j'étais pas président de club may toog di wax ak moom di ko wax et je lui ai dit toujours une chose donc Augustin fais de sorte que booy quitter fédération ñu defal la aide d'honneur tàccu la nga dem bul fexe mu ñu lay jaarale par la petite forte ah non, ça n'arrivera pas. Non, non, Il est entré dans Il faut le laisser parler. Il est Il a pas dit que mhm. Je ne pense pas, en termes de résultats sportifs des équipes nationales, mhm. je dis bien des équipes nationales, on a parlé du Giraffe avant, on mhm. euh, peine à gagner au niveau des clubs en termes d'équipe nationale, je ne pense pas que dans les années à venir, mhm. que le président Abitoudi, Jamil Faye, ou le Samba Gagne, ou le Fatoumata Dembélé, mhm. il sera extrêmement difficile mhm. d'avoir un président qui a le même risque que lui voire impossible. mais qu'est-ce qu'il a dit qui parle là non non. Non, non, non, ah. Non, non non non non mais à il a dit oublions non vieux non mais il a raison. non non mais non non c'est un comité exécutif c'est un ensemble. non non. non un non qui a eu ce résultat. non mais 1960. il y a la formation française. il y a le talent il y a le talent de, nos joueurs, il y a un concours de circonstances aussi. Mais Non, non, non. Ah, bah, ah, non, non, aujourd'hui, bah, ah, la FIFA. Comme l'a dit Pamboy, ils ont eu deux problèmes avec non, sur les textes. Mm-hmm. Le comité est trop large. Mm-hmm. Ensuite, système bi non, la réponse de la fédération dit maintenant on a tout essayé depuis le euh, comité directeur de 16 de 18 de 14 de avec tout on n'a rien gagné. 95 80 rien. on a de la FIFA aujourd'hui mm-hmm. on est 31 personnes au comité exécutif on a gagné les 5 trophées majeurs. Absolument. Mm-hmm. FIFA ah, attention il faut qu'on pense à ça. Ils ont compris qu'est-ce que c'est que la mentale sénégalaise. Le comité directeur élargi comité élargi ça n'a aucune incidence sur nous. ni de fonctionner. 31 31 donc chaque chaque spécificité cest le résultat qui compte est-ce qu'ils nous ont dit ça vous permet pas de travailler mais comment tant une personne, ça ne vous permet pas de bien travailler. C'est l'argument de la FIFA. Mais tant une personne qui ne peut pas travailler gagne 5 trophées. Et ah, Ils se sont dit, attention, donc il faut qu'on revoie. Moi, je suis convaincu. Le centre de Guérou et le centre de Toubab. Le centre qui est maintenant au normes. Du, Aux normes, hein? ils sont maintenant aux normes. D'ailleurs, j'oublie de le dire, que les juniors ah, vont aller encore pour la deuxième fois. Ils se sont ah, imposés dans le deux buts On devait commencer par féliciter la Ce qu'on a fait sur le centre Toubab Diala avec Youssou Ndiaye, quand c'est la CAF qui avait ce centre de Youssou Ndiaye, il y avait des des serpents, il y avait partout. Il y avait des serpents, tout était là-bas. Mmh. Aujourd'hui, c'est en Afrique, c'est pratiquement le troisième ou le quatrième centre. visitez nañ par la Avec une d'affaires foncière de 20 ah, hectares. Président Jamil, président Jamil Vraiment, sur cet aspect-là, moi, ah. Diallo Vous c'est vrai. lois, vous delluwaatee dina rendre compte que le travail qu'il demande, on l'a déjà fait. Sur la ligue professionnelle, je suis d'accord avec lui comme le président Jamil, il faut que nous ñu un truc neutre Mais à la fédération mhm. c'est toujours les clubs qui s'organisent, qui élisent leur président et qui partent en D'accord, avec le président Jamil. Ah, merci beaucoup. on a les on a parce que vous avez le doon doy xam euh, donc question mise en demeure j'en ai parlé quand on me dit que parle d'élégance et tout ça on met en demeure des clubs mise en demeure comme ne signifie. Mm-hmm. donc man de une mise en demeure ils ont qu'à m'interdire mm-hmm mais on va continuer. Mais ni collectif, ils ont dit c'est là-bas. Ils ont violé les textes et les règles. Non, ils n'ont jamais dit. Bah, ah, non, non. non ont CPC. Il y a le pouvoir. CPC, c'est le Non, 2008. Non, président 2008. Non, non, non. Non, non, l'élégance, hein? dire non, ah, non, non le programme. Il faut le en 2008, ah, après la crise de Tamale, lors de la de la canne ah, ah, avec ah, les problèmes qu'on a avec Henri avec Vous savez, vous avez. il faut m'en préciser aujourd'hui aujourd'hui cette mise en demeure il faut respecter il respecte tellement les textes que le le les texte mm-hmm quand tu es adhérent membre d'une fédération de football les textes sont très clairs. Uh-huh. il faut que tu lis ak lis, ak aujourd'hui. tout ce que le texte permet de faire. la fédération. je termine je termine je termine je termine poser question j'en arrive j'en arrive j'en arrive. aujourd'hui les arbitres ils sont organisés. vous avez l'ANAF. NAF. la ligue professionnelle est organisée. la ligue amateur AA et la LFA toute structure. Uh-huh. kenn imposé wu la mais quand tu veux créer un cadre tu écris à la fédération bi nga veut créer une amicale une association ou une entité dénommée telle telle telle. et contre tenu mais gannaaw yaa a une sa bopp de. d'accord je termine ah, je termine je termine c'est-à-dire quel mënu leen ko tere c'est pour ah. te dire que kenn mënu mais quel est xam nga sa mënoo ne sa biir kër def say teg say statut kenn yow contourné def lu ko neex tegal ay tànkam jàkkaarloog yow di xaar loolu c'est c'est illégal da ngay demander <laughs> comme la fait arbitre yi xam nga ante lañ bokk ci ñun Il y a la commission centrale des arbitres. C'est ça. Mais ils ont une ah. association légalement reconnue. Ah. Non, Maintenant, quand tu veux être dans les textes, tu dois respecter les procédures, tu dois pour la fédération autorisée. Mais jamais, on peut aller à les, les, les clubs professionnels vont s'organiser en association des ah, présidents de Ligue 1, présidents de Ligue 2, des, des, des administratifs de tel tel. Mais ça, de demander la fédération les autorisés. Allez, d'accord. Maintenant, président Jamil. D'accord. Quand vous êtes formalisé, président Badjibja. Même comme bah, expliquer. Même comme expliquer. Voilà, voilà il faut expliquer président euh, Jamil eh ben, parce que pas qui mais non mais mais mais que mhm. il a rétabli une vérité absolument et pour vérité créé ce collectif ils l'ont créé avant moi président de la ligue de football amateur ils sont des clubs amateurs donc ah. buntu biñu wara feug moy buntu club amateur. buntu euh, ligue football amateur. Biñu def lan j'ai pas compris. bi ñuy créé non non non non j'ai pas dit ils ont créé. ils ont créé d'abord ils ont créé d'abord un an un ah. mais ils sont ah. mais voyez qui Il y a le football professionnel ba fini tok di wax nii suñu dans le code du sport sénégalais ce football est illégal y a un accord. donc fini ñu toog di tant que le code bu bees le football professionnel n'existe pas au Sénégal. c'est-à-dire. Parce que les textes au Sénégal ne reconnaissent que le football amateur. Ouais, mais nous, on peut s'en la, la, loi professionnelle. C'est la, loi. C'est la, eh, loi. Je vous contrat de travail. Contrat de prestation de service. ben joueur du football au Sénégal. Mhm. Ah, peut-être que il y a une société, moi quand j'étais au Guéjaï Football Club, je prenais ma société Diapo, nous devons un contrat de travail. Sinon, tous les contrats, ce sont des contrats de prestation de services. Mais c'est reconnu par la FIFA. Le foot professionnel sénégalais est reconnu quand Mais la, FIFA, FIFA, c'est pas le Sénégal. Oui, bon, je parle de la FIFA. est Mais a de donc si on reconnaît hmm. que le football professionnel est illégal au moment où on parle et que le football professionnel est en train de se rapprocher de l'État pour que nous régularisions le code du sport pour que nous nekk quelque chose de légal pourquoi on ne reconnaîtrait pas au football euh, au collectif euh, des clubs amateurs que nous avons créé créer association bi di le collectif ñu ne ah da ngeen créer euh, collectif boo nous ne nous sommes ñoom ñu sol seen daal sol président de la ligue amateur nous sommes xam patron direct ñu waxtaan ak moom moi moi l'en wax ne changer leen tur Tout mm-hmm. tuddee collectif parce que nous leen ko tuddee neneen sinon en conflit avec nos textes. Nous leen wax loolu. Ablaye Sow d'accord Nous ñu changé Nous nous na collectif le dem créer document reconnu par l'État pour dire que le collectif. est mhm. un que cadre de concertation des présidents des clubs amateurs. C'est ça.

du 2024 il faut pas ngay def confusion en 2023 biñ koy def. ban attends 2024 ngeen gis Ablaye Sow déglu ma ñëw. waaw 2024 la la rapport d'activité baa ngi nii cette année. non non non non ça xoolal lii rek 2000 lan nga gis. rapport d'activité baa ngi rapport d'activité 2023. ça c'est l'année passée dégg guñu ren attends je t'explique. aujourd'hui mais est-ce que génne ngeen aussi beneen rapport d'activité 2024. non génnagul day ñëw doo ci gis fenn fu ñu waxee collectif c'est pour te rassurer que biñ def ñoom tàgguñu kenn gisuñu éléphant gisuñu Ablaye Ablaye Sow a été instruit par la par le COMEX. après mais comme la. ils ont été au début ils sont ils sont maintenant on verra ce qui va se passer. on est d'accord. on est d'accord

Donc, l'ordre là, on est en train de le mettre à l'intérieur de ce collectif. On est en train de nous organiser. C'est ça. Vous ne pouvez pas demander C'est un collectif qui a tout le droit d'exister. Maïdouf à un moment, avant les élections, on était en train de créer le collectif des présidents de clubs professionnels. oui. Parce que nous avons des Donc, c'est dans la démarche normale. Vous êtes trop sur la défensive. Non. Non, non, non. Non, Mais comment terminer Mais comment terminer, Pas comme le par pas Vous voulez démontrer que vous avez raison. Vous des fois avancer. Le représentant de Djurbel l'a dit la dernière fois. Le président Augustin, dès le déglou, nous savons nous avons des contradictions. Nous avons bravo, monsieur le président, mais nous avons avancé Et moi, ce qui m'anime c'est c'est d'aider le football sénégalais à être meilleur. Yo. c'est-à-dire loolu moom wax ji gis nga mais ce président là c'est le premier président de la LFA. Moussa Diaw oui, oui, il était là. Ne, me retournez pas. non, il était là. de de préciser que c'est Moussa le premier président. Papa comme Vas-y, allez-y, président. On peut faire son bilan. Même venant dans l'émission, les gens te disent Jamil, avec tout ce qu'il a. Vraiment. Comment de ce débat-là ce n'est pas un débat de personne. moi je ne crois pas qu'un Djamil Faye m'a hmm. révolutionné révolutionner le football du Sénégal. Non, non, Le football. Mais quand même vos idées ah, ah, le football ah, changera hmm. quand l'autorité suprême hmm. elle-même elle accepte de changer. C'est qui l'autorité suprême Le président de la fédération Non, non, non. C'est qui L'autorité, c'est le, comité exécutif. Non, l'État n'a rien à voir là-dedans. D'accord, C'est le comité exécutif c'est mais, mais très rentrer l'État dans, dans, dans, dans, nos affaires internes. Non, non, non. Ah, vous avez cette responsabilité. C'est pourquoi j'ai parlé de dette morale au début de mon propos. vous avez fait intervenir l'État dans le fonctionnement de la fédération. mais, ça aussi, l'histoire le retiendra. terminer. je parle à mon nom. Je ne suis pas ici au nom du collectif. Je suis ici au nom de Diapo Olympique de Guédiawaye. tout en sachant que vous faites partie du. qui est membre du collectif. Mm. mais je ne suis pas un fille, du collectif. Mm. donc aujourd'hui qui ma intéressé c'est la réflexion. allons dans le débat contradictoire ba nga pour moi, peut-être que je me trompe quand le président Augustin Senghor nous parle des cinq trophées c'est bien mais ces cinq trophées là ils concernent les équipes nationales nos équipes. Ah, notre football ce sont les clubs amateurs. le président Blatter de ko doon wax bu ko euh, man les 95% du football c'est ça le football ce n'est pas le Paris Saint-Germain c'est pas Barcelone c'est pas Manchester City ce sont ces 95% qui se réveillent les matins nous ah, avons amuñu lu ñu jëndee ndox amuñu ñu notre football est malade. Il est très beau au sommet et il est très malade et très moche à la base. Quand il parlait tout à l'heure de calendrier, la maîtrise du calendrier, mais il y a des solutions. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous rapprocher des communes et des mairies qui gèrent les installations euh, sportives Ils ont un en calendrier en début d'année Nous voilà nos dates Nous la un concert à samedi donc vendredi je euh, jeudi bien mise en place Nous déplacer pas le lundi. dimanche oui ou dimanche. ce qu'on reproche à cette fédération c'est cette paresse en termes de, gestion dans ce rapport là personne ne parle de l'administration de la fédération Quelqu'un xamul administration de ok gis nga. quand vous dites administration kenn xamul ni mu toll mooy les gens qui travaillent oui il fait ban département ba fa am ñaan ak lañ ñu recruter ñu bees. mais on doit ils sont au nombre de combien. xam nga ko mais allez dans le site de la fédération. non non non non vous avez vous êtes tous les allez dans le site de la fédération. mais xam nga li ñuy wax de. bu ñu jël boobu ci ñëwaat ñëwaat balaa maa ñu jël tamit. day contribuer kii nii defe naa. mu insister non mais na na xaar touti d'accord ok mais est ce que duñ ko jël. sa doté faut là voilà je suis un club. Ah. vous ne pouvez pas renvoyé en club moi je Mbaye Diouf waxoon grand Mbaye Diouf Dia nee mm. euh, Augustin déclaré non une information elle peut être écrite. Mm-hmm. da ngeen war a bind club mm-hmm. même bi ngeen defee réunion comité exécutif war on mën exécutif ñun ñu am foo xam ne fa la ñuy fekk tous les comptes rendus de réunion. vous ne ma pas demander si informations c'est la même chose pour les championnats. man en tant que club en tant que club non en tant que club moussoumo jot une notification de carton jaune de façon régulière peut-être que ne Sénégal ligu mbuur mu ngi peut-être que feneen la je ne sais pas mais gis nga tey nañu waxante dëgg nga le calendrier là xam nga le 19 lay commencé hmm. Maintenant, est-ce que d'accord na d'accord euh, dire une foofu parce que gis nga on nous donne chaque début d'année hmm. Nous avons un calendrier. 19 et 23 non pour les amateurs. et pour les pour les professionnels. nous Nous avons calendrier nous gis nga da mhm. mhm. on joue que deux mois après. calendrier le football amateur Nous euh, mënul commencer avant le mois de janvier ou février. Mhm. les tout ce qui est régional. Nous nga un entraîneur contrat à partir du mois de septembre parce que fédération moyenne notification début des compétitions le 30 septembre. Mhm. officiellement. Mhm. ngay def sa yëpp préparé wu. ngay entraîner de football di fay ay di ay nit di def changer ce sont les mots là qu'il faut changer. Mhm. da ngay football yi man. képp kuy waxal dëgg xam ne saa yi ma nekkee Dakar vous êtes su may vous êtes bu football 8 heures mbaaw nga fa taxaw suñu football comme kii mu ko doon defee mhm. noonu laa koy defee damay ñëw damay gis do doo fa gis service médical ku fa dam am nga problème on a la responsabilité des enfants de 15 ans de 17 ans on nous dit que le Sénégal mais man Dakar la xam dëkkuma Thiès mais je vous dis mais c'est la fédération <laughs> si la ligue ne fait pas son boulot mais damay ñëwaat damay ñëwaat ci président Jamil Faye ñu jël kooku ci ligne mais après ci mom laay ñëwaat mu eggali ñu jël kooku ci ligne bi sëñ bi naka nga def ñu lay nuyu maa ngi sant yàlla maa ngi leen di fay. kookan la. baab bi xàmmee naa ko de Ousmane Iyane naka iya nga def ça va. ça va ça va alhamdulilah. da nga géej sama plateau bi de qu'est-ce qui se passe. <laughs> yaa ya, ma eh, gëj a invité. nee nañ nee nañ nee nañ l'ami de mon ami et mon ami. Eh, saa su eh, maa ngi nuyu ñëpp Mbaye. ok ñu ngi lay fay Ousmane Iyane ñu ngi lay déglu. maa ngi maa ngi nuyu le président Jamil Faye. ok. di nuyu sama père sama. Euh, le président de Jouvja, Je aussi euh, mon grand frère euh, Pape mhm. j'étais en train de suivre votre débat vraiment. tu étais à l'Assemblée générale Yann. oui j'y étais. Là, <laughs> nga ñu mun wax ci générale oui? waaw l'Assemblée générale bi li ma bëggoon wax rek président Djamil, ce que bëggoon wax ñu c'est ne ko doo wax de. fekk na fekk na ma fa waaw. merci d' accord. gis naa ko ñu gis naa ko ñu tere ko wax. mais jox ah? dëkk nañ ko jox. gis naa ko mu wax gis naa ko ñu tere ko mu. voilà voilà l'équilibre clarification ok gis nga nga ne président Jamil c' est important li muy wax ni mu ngi bon. ma ne ma ne Mbaye. waaw. Mbaye dama bëgg a ah. commencer d' abord. Mm-hmm. pour wax ne euh, la situation qui a prévalu euh, euh, le renvoi de l' assemblée générale. Mm-hmm. je me rappelle que émission voilà il faut pas oublier que. Mm-hmm. report je pense que la générale mm-hmm. parce que c'était n'était pas du tout le même le mm-hmm. et nous avons nous devons pas oublier aussi que des structures de la fédération s'étaient réunies et avaient même demandé à ce qu'on reporte pour ne pas avoir de problème. Mhm. J'ai rejoint donc le président Mitoub Dia. Mhm. Mon mieux, euh, pour apaiser pour wane euh, amul mhm. la fédération a suivi le ministère et je félicite vraiment. le président Augustin Senghor d'avoir pris cette, décision ainsi que son comité d'urgence. mais li ma bëgg wax que euh, aujourd'hui euh, ah, bi nga xam ne def nañ ko. Euh, effectivement y a eu de l'interactivité parce que le président euh, Moussa Diaw a dit na parole le président Abdou a dit na parole. le président Jamil a na fa parole. j'ai vu aussi que ne euh, refusé une parole benn moment le président Jamil. quand on a on a validé les rapports d'activité mais loolu yëpp man nima koy jangate moy déjà y a eu une avancée. Mhm. parce que les assemblées générales précédentes meluloon ni donc il y a eu une avancée et y a eu un y a eu un dialogue mhm. très franc entre entre euh, le président Augustin et les clubs. et les représentants de clubs aussi wax nañu a ay sauf Dakar loolu ñun ñëpp constaté nañ ko. Mhm. les ligues hein, ñu clarifié. pardon nous nous clarifier entre le président et les ligues, les représentants des ligues. Les représentants des ligues, les représentants des ligues. Ah, Ils ont mis la parole. Il y a un problème de euh, formulation. <laughs> Ah. Ah. Moi, je suis dans la Ligue de Thiès. L'ensemble des clubs de la région se sont réunis et ont porté la parole par un de leurs membres. C'est pas la Ligue. Ça s'est passé comme ça. Effectivement. Sauf à ah, Effectivement. Allez-y, Yann, tout à fait donc pour dire que rek mhm. euh, euh, je pense qu'à l'Assemblée générale yi y war di demain. bon tout le monde ne sera pas d'accord à 100%, mais il ñaan yàlla ñu pas faire ko parce que euh, être rigoureux aussi il faut partir ay l'administration, administration. Mhm. la transparence di mën a mhm. mais man si ma bëgg pour ne pas trop vous retenir. moi je pense que il faudrait que ñu bañ stigmatiser des présidents de clubs qui ont affiliés dañu fédération hmm. investir seen football hmm. aujourd'hui ce collectif de présidents de clubs amateurs, président de club amateurs du moment où ils regroupent les présidents de club parce que les li les ma ba affilié hmm à la fédération doo beaucoup ci collectif bobu C'est les présidents de club amateur amuñu Ben, amuñu amuñu Ben mbotay bo xamné dañ fay mën di di jokkoo ak di dañe xam nga tay ligue pro équipe bu nek day ñew indi son représentant mais euh, tay le conseil d'administration, bi nga xamné man ci la bokk nek fa vice président euh, le président Abdoulaye Sow nekk suñu président fofu fofu te day représentant yo xamné ne ligue ñoo leen di indi ak ñen ñi nga xamné tay c'est le c'est le c'est le président qui les cope mais tay ce collectif-là, vous faites que nous pour nous dem à l'encontre des, objectifs de la fédération. Mais c'est juste une corporation qui sont, nous sommes investisseurs, beaucoup de défendent la, même chose, nous sommes pour pour objectif nous euh, à l'encontre aujourd'hui euh, de la marche de la fédération. Mhm. Moi, je pense que la première sortie, avec la première, la première prise de contact à mon, erreur sauf vous mhm. Mais, le président le président de la ligue am football euh, recevoir l'aide pour ak rectifier le le nom pour nous d'accord c'est le collectif de président de club. il faudrait aussi mhm. qu'on qu'on accepte ce dialogue et puis tamit vous le, règlement bi nga nous ne nous ne ñu pas ko respecter. Mhm. le président Augustin Senghor quand il dirige sa réunion il il a le droit un moment bu bu bu qu'il ne dafa pas gis ne dafa avancer day avancer ñun ay président on dirige des réunions mais ce que nga savons ne que nous, la éviter mooy di jàll au outre les les je pense que euh, ci nous sommes, jëm ci sommes, pour ma terminer foofu ci mhm. euh, euh, euh, euh, il faut on gagnerait à réunir toutes les personnes ressources comme comme comme comme comme Pape des personnes football autour de l'essentiel. Aujourd'hui au Sénégal na merci beaucoup bonne émission Merci beaucoup, merci beaucoup Oui, sur le principe, mais mettons les formes. D'accord. encore euh, euh, on parle de fonds de solidarité pour les membres du, euh, du comité exécutif de la fédération. Pouvez-vous y revenir rapidement, Président Les fonds Les, fonds de, les fonds de, solidarité. Oui. Pour les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. est ça, on en, a, on débattu au comité exécutif. En fait, ce n'est pas ce qu'on appelle des fonds de solidarité. Mm. En fait, quand, quand, vous êtes à la FIFA, le président Augustin est membre de la FIFA, il y en a au moins une soixante-dizaine. Il y a ce qu'on donne c'est pas des, les gens l'appellent des perdiums, il faut le former parce qu'on est aujourd'hui dans la bonne gouvernance. On ne peut pas dire les gens se partent. parce qu'on le dit souvent, les gens se partagent. Mm. Moi, je suis là la faire depuis 2009. J'ai pas reçu une prix, prime, moi, c'est mon comme Jamais. Uh-huh. Donc aujourd'hui, il faut nous légaliser par le président Bimouye. Il a montré la bonne gouvernance. À la CAF, qu'est-ce qu'il faut faire À la FIFA, qu'est-ce qu'il faut faire Dans tous les comités exécutifs de la, qui sont membres de la CAF, de femmes ben programme que les gens du membre du comité exécutif. Uh-huh. Ça, c'est dans tous les conseils d'administration, les, les, PNA, ça c'est pareil. C'est uh-huh. pas C'est partout pareil. Il faut maintenant le légaliser. Donc dans cette affaire, on veut vraiment le légaliser pour que, connaisse membre du comité exécutif, nous Sédhiou président avec Sédhiou war Fernand Dakar war fi yenn war a añ un war def réunion ñibbi waat fay ñu la salaire on se dit au moins il a un perdium de temps. toutes des subventions de club. les subventions de club je te dis ça ah, tout quand on est arrivé hein? c'était à 300 000 aujourd'hui ah. on a 6 millions. donc c'est je pense que qui ki nga xamante bi na bokk plateau bi euh, euh, directeur euh, Boun Daouda ancien DH directeur de la haute compétition waroon na ñëw mais taw bi moom moo ko téewoon mhm. loolu moo tax defe mu ngi ci ligne bi directeur ñu ngi Allô Allô ça c'est les texte de la bonne gouvernance. Vous savez, aujourd'hui que ce soit au niveau de l'État. quand tu es envoyé fonctionnaire dans un pays mission. quand tu es dans un conseil d'administration comme moi j'étais dans la case des tout petits da conseil chaque père de lii nga am déplacement lii C'est ton de présence c'est ton de présence. c'est-à-dire que chaque fois que la FIFA le fait la CAF le fait le tous les comités exécutifs. Il faut une note pour que les gens s'adoptent à une situation comme nous. transparent celui qui va venir dans 50 ans aura les mêmes principes d'accord mais nous, sommes le le non non non non président Jamil un petit bon regard ah, je ne suis pas d'accord une fois de plus parce que c'est-à-dire parce que je euh, nga vais lire hmm. et je vais pas commenter je laisserai les Sénégalais nous interpréter li may lire nous nous euh, présenter. Nous nous tax ñu bañ ma parole ko parce qu'il y' a beaucoup de choses d'irrégularité ici mais Jabe xanaa loolu liiroo kon avant nga ñëw AG bi. non il fallait écrire bind ko bala nga ñëw AG bi. non non non 70 jours pour lire. non non non attendez. ñu parce que ñu ngi lay nuyu xaar ñu jël pour ñu ñëw. 70 jours pour. ñu ngi lay nuyu.

Euh, d'abord, sur le collectif. Mhm. Euh, pour moi, à chaque fois qu'on parle de collectif, de présidents mhm. président de club, mhm. dans n'importe quelle fédération, c'est une crise ou les prémices d'une crise. Parce que en réalité, la fédération, la est un collectif de présidents. Une fois qu'il y, un, y, a une fédération, des présidents affiliés, lui, il doit le dire au sein de la fédération. donc nous, avons xam ñoo fédération une lecture de pourquoi la naissance de ce collectif et à essayer d'apporter des solutions parce que nous sommes ñu dénk fédération par contre l'État nous, nous un bel interlocuteur pour la fédération. parce que moi la gën a son pouvoir en matière de football. Mm-hmm. donc avons un bel interlocuteur pour wax ak moom. Mm-hmm. ku ko

nous ni les textes pour mener les, nouveaux textes pour mener mettre en place un modèle économique qui est en phase avec le alors je dis que l'OLU, pour à mon avis erreur le fait que ils ont tenu assemblée générale ordinaire mmh. or les textes les textes la loi le nôtre, demande à toutes les fédérations sportives sénégalaises de tenir une assemblée générale élective chaque année. Mhm. C'est ça qui est dans la, loi 8459. Mmh. Mais mmh. toutes les fédérations ont un mandat olympique. Mhm. Deuxième chose, les textes du Sénégal ne permettent pas le football professionnel. cest à dire que les textes ne donnent pas légiféré le football professionnel. Mhm. Et malgré cela, depuis 2009, il y a un football professionnel. Mm-hmm. Donc, ils ont outrepassé les textes. Mm-hmm. Euh, les pour avoir un mandat olympique, mm-hmm. pour avoir un football professionnel. Non, outrepassé les textes pour avoir un modèle économique du club sénégalais. Parce que, euh, évolution nous, nous, nous, nous évoluer dans la gestion du football sénégalais d'être en convergence avec ce qui se fait de mieux au monde. Mhm. te xam nañu ni maintenant il faut un modèle économique pour un club professionnel. Mhm. même un club amateur doit doit avoir un modèle économique. Mhm. mais pour moi, le modèle économique c'est c'est restreindre le problème du football local. le football local c'est c'est-à-dire quel club et le modèle économique est un élément d'un ensemble. Il faut, qu'on parle de l'administration, il faut parler de, de, la gestion, il faut parler de beaucoup de choses. Mais mhm. pas seulement du modèle économique. dit En fait, c'est l'acte qui les intéresse. Non, il faut une réforme du club sénégalais, mhm. dont le modèle économique n'est qu'un élément d'un ensemble. Mhm. donc voilà vraiment neex na trop malgré de leen de ko mais pour ne pas être long donc vous interview loolu laa bëggoon def comme contribution. merci beaucoup merci encore euh, vraiment ceux qui sont là. Mhm. et euh, je terminerai par euh, interpeller mon ami Djamil. Mhm. Djamil le football sénégalais a besoin de toi et tu as besoin du football sénégalais. essayez de xool lu ngeen di mën qui l'essentiel. Parce que moi, je te connais, on se rencontre à part en Afrique, on a besoin quand même de tes conseils. Absolument, absolument. Mais pour, changer le système, il faut être à l'intérieur. Absolument, Il faut être à l'intérieur. Un système ne le change pas dehors. Mm-hmm. Donc, moi, je t'invite au nom de tout, tout ce qui nous dit, vraiment de trouver un moyen d'apporter

en fait non euh, non si final bi faral di ko yàlla faral doom. kon goro bi kon nag dinaa gën a jàpp sa bu jeex. voilà jeex na yàlla faral parce que. loolu non non tamit loolu. loolu loolu dafa raw dafa raw football. merci beaucoup <laughs> et puis xam-xam bi ba am comme d'habitude vraiment merci pour merci beaucoup non Pape. non Pape non non non merci beaucoup merci beaucoup directeur. merci vraiment non non non non non Pape non Pape non ah, may ko may ko ma eggali euh, sinon day naan de soir, je vais revenir ah. euh, si si si grand bon mm. euh, pour nous dire avance li ma doon wax mm. euh, d'accord, merci ne. d'accord accord si mm. parce que on nous a fait valider ce rapport par acclamation. Et parmi les points c'est des points à controverse des décisions décision en matière de finance. ku rapport nous dem page 22 oui. Bon, moi, c'est le point numéro 5. Au point numéro 1, les décisions en matière de finances, page 22. Nous avons validé la décision de mise en place d'un fonds de solidarité pour faire bénéficier à tous les membres du comité exécutif et utilitaire de la Cannes Total Énergie Cameroun 2021 d'éventuelles primes découlant des compétitions internationales. Donc, non seulement il y a une décision qui a été prise avant, que vous demandez qu'elle soit validée par l'Assemblée générale pour donner des primes aux membres du comité exécutif, spécifiquement ceux qui ont été à la Cannes 2021. Donc, c'est là, je pense que est... Non, non, bah, non. Après, vous pouvez l'interpréter, c'est du français, noir sur blanc. Mm. Benenbi, je voudrais euh, remercier le président Yann Cham pour l'équilibre de ses propos. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des gens qui équilibrent équilibre ses propos. Euh, moi, je ne suis pas en contre Augustin, contre Fédération. Je suis pour que le football avance. Je sors mon opinion, elle ne plaît pas tout le temps à tout le monde. Ce n'est pas ça qu'on doit regarder. Est-ce que je parle mal Est-ce que je parle bien Mais est-ce que les meilleurs amna solo wala amul solo. est-ce que am na est-ce que mën nañu jëmel kanam. Mm-hmm. suñu nango lool rek je pense que duñu sonn. et je pense que le président Yann Thiam il a dit ce qu'il avait à dire mais je voudrais juste corriger que je répète j'ai pris la parole sur l'ordre du jour pour dire que soit ngeen bay ñu wax wala ngeen bay ñu wax mais je, n'ai pas fait d'exposé ou quoi que ce soit. pour moi mon ko considérer comme prise de parole j'ai parlé je le conçois. Mais fais-moi la parole pour commenter, on ne me l'a pas donné. Et je ne reviens pas dessus. Euh, Benenbi, je voudrais remercier aussi euh, Grand Bundaouda parce que euh, l'imouwak dafa am solo. Et l'imouwak ni si par rapport avec le, euh, le, le type de club, moi l'imouwak au début, si vous avez mon propos au début, nous avons la diaraf. Nous avons dit que parce qu'on doit revoir la structure de nos clubs et le modèle de nos clubs. Et ce n'est pas, il a raison, du question modèle économique, qu'est-ce c'est C'est notre administration, c'est la logistique, c'est équipe pour mon etc., etc. Moi, aujourd'hui, c'est mon club Diapo Olympique de Guédiouaï, on est amateur. D'ailleurs, Augustin euh, me châtie beaucoup parce que vous me dites le parole. Il a cité deux présidents, Marie Touré et moi, je ne sais pas pourquoi. Il parle de football amateur. Mais bon, le meilleur, nous, nous, suñu modèle économique on se dit que les fonds de transfert de joueurs on les calcule pas bonus là. billetterie on ne le calcule pas quand la billetterie représente 23 chez les clubs européens euh, ou, 30 euh, chez les clubs anglais chez nous c'est 0,1 même si ça fait c'est donc nous. parce que la réalité hmm. la plus grosse recette que j'ai faite au niveau du Guédiawaye Football Club. c'est quand le Sport vient et je fais moins de 2 millions. nous si donner les équipes c'est même pas la masse salariale du de ton club. donc nous, nous pouvons investir moi agriculture euh, les services l'événementiel à hein, ah, fofu vous l'immobilier il faut moyen secteurs dire on a des actionnaires on est un club amateur on est le peut-être le rare club en Afrique à avoir des des des, actionnaires nous avons levé en, ensemble plus de 250 millions de francs CFA il y injecté koy là-dedans pour que nous nous président. mais on va l'injecter dans ces domaines-là. agriculture dañuy dem on est, là, on est là-dessus. On organise notre premier événement, je dis événementiel, on organise les 10 km de Guédiouaï. au mois de novembre. En décembre, on organise le Festival des cultures de Guédiouaï. Hmm. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, hmm. mais pour vous allez essayer. on va essayer. Hmm. OK Donc, il faut que nous, que c'est extrêmement vrai. Nous voir aussi, si concession est une def, si assemblée générale, def mandat olympique, nous avons droit. Nous euh, foot professionnel, nous droit donc il a raison Warning faut aussi concéder mhm. le collectif et l'immobilier c'est extrêmement important Mon moyen, ce fait qu'on le football marche avec ses cinq trophées il n'y aurait jamais eu de collectif s'il y a un collectif nous c'est il y a une crise ou il y a des prémices d'une crise donc on ne on va pas les regarder on nous regarder en disant ni ay perturbar la te war ñu def li war ñu def na nañu waxtaan suñu biir. d'accord et loolu mooy tax ñu dem kanam. le dernier point nag fi mu tëralee. Hmm. Euh, mais moi je n'ai jamais refusé de travailler pour le football sénégalais. Je n'ai jamais refusé de travailler pour le Sénégal. Hmm. Je pense que si mesure mesurer tay hmm. en termes économiques, euh, mon entreprise serait la première entreprise euh, au Sénégal sportive 13 000 à bien Sénégal si on nous mesure en Afrique sur les entreprises de sport on est dans le top 3 euh, en matière d'activité euh, et, de réputation. Donc, mais tout je travail oh, oh, accompli, oh, ça c'est pas un problème. Ça ce que dès l'instant où je suis dans le football, je crée des emplois. Que j'ai un siège au comité exécutif ou pas, loolu du moy do am importance li am importance moy man impact bi ma meuna am ci euh, ci ndaw yi impact bi ma am sama communauté gis nga euh, mon équipe a échoué au dernier match pour mon équipe en division supérieure mm-hmm. on a joué avec 80 des jeunes qu'on avait formés au Guédiawaye Football Club mm-hmm. et quand on dit que le Sénégal pas eu de loyauté c'est faux parce que nous, on a eu 80% des jeunes qui étaient en Ligue 1 ou Ligue 2 ou en National qui sont revenus en disant président présent l'équipe am équipe il y a une formé woon dañuy pour l'équipe équipe quand je leur ai dit que les gens fay ils m'ont dit ce n'est pas important certains ont des primes de transport mais ça ça montre que le sénégalais a de la valeur le jeune sénégalais a de la valeur buñ ko tégué ték loolu wara liggéey quand on dit que le football sénégalais est un business on emploie combien de personnes quel âge ils ont ce qu'on emploie c'est des hommes c'est des femmes cette étude là elle est où gis nga nañu jogat suñu bop ñu nangu critique yi fédération bi quand Augustin Senghor dit que pour qu'on ait une sécurité financière il faut que nous continuions de gagner. Je ne peux pas être d'accord parce qu'il y a d'autres moyens mhm. de financer cette fédération et le monde l'a démontré. Le monde l'a démontré. Moi, nous avons droit à la télévision, nous avons filmé. Nous avons un partenaire. On est premier en Afrique pendant longtemps, on n'est pas capable de générer des revenus de partenariat, de sponsoring. C'est pas normal. Il Faut que nous attaquer la fédération. D'où l'ENN. D'accord, d'accord, président Jamil. Merci. Euh, Les subventions des clubs non, non, il faut que nous rebondir ce que nous subvention. Parce que subvention, il y a quand même, il y a des gens L'information, moi, pour la première fois, il démarre la saison, il y a des gens qui ont Nous consolidé acquis, après nous avancer. Vous savez, Jamil, il faut terminer 5. Euh, ça renvoie même moi l'idée à CRL 5, au cadre jury. C'est-à-dire, même si vous avez fait un torse, au regard de la loi moi je dois que l'État doit respirer l'air du temps l'État doit s'adapter juridiquement ça fait dégâts mais l'État doit respirer l'air du temps en quoi faisant en permettant aux investisseurs d'avoir la sécurité juridique nécessaire d'investir dans le football. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Hmm. pour amener l'État à comprendre qu'un jour, tu as dit il faut régler nous ces questions là pour que nous ayons des am ay télé tay naka nga mëna am télé avec des entreprises de presse yo xamantene dunduñu excusez-moi même la RTS la chaîne publique ça am ay difficultés structurelles yo xamantene buñ ko régler wul lay mëna jënd ay droits télé fan lay revenus réinvestir dans le football on a tordu les textes mmh. sur le mandat olympique ça c'est vrai mmh. loi bi mandat un an la wax ñu dem 4 ans mmh on n'a pas, on a un football professionnel qui n'a pas, qui ne repose pas en tout cas sur la, sur le cadre juridique normatif. mais oui y a une fédération internationale biñu mais daf ko accepter valider ko. té bien bi tamit à l'actif de la fédération wala nit ñi war euh, annuellement la fédération fait l'objet d'audit de la FIFA et de la CAF donc tu peux pas gérer n'importe comment ce n'est pas possible xaalis bi ngay bi lay jox dañuy ñëw auditer ko xool sa gouvernance Deux fois, sa gestion finale deux fois par an donc mënuloo def n'importe quoi ensuite le cabinet là quand la dame présentait le rapport du cabinet euh, IEC SARL man dama doon euh, sama yaram daf loon daw parce que damay xool fu ñu jógee football bi ak fu ñu excité tey bi la doon présenté ay assemblée générale ay bilan yoo xam ne ay biggal fële la ko doon bindee tey ji ñu ñëw cabinet comptable indépendant ñëw taxaw au-delà du travail que la commission d'audit interne réalise avec autour du président Blaise mais cabinet beneen cabinet ñëw ñëw taxaw certifié le cabinet boobu mettre en sa crédibilité la fédération sénégalaise de football parce que loolu moom mooy liggéeyam au-delà wax naa ko mooy li nga le ne moom la FIFA ak CAF di yónni ay auditeurs chaque année di saytu naka la ñuy gouverner naka la ñuy gérer suñu xaalis te fédération c'est ce ko mun wax retombées yi muy am mais Demba Diop am na état contrepartie bu mu waroon joxe. joxewu ko fédération moo mujj absorbé loolu yëpp. Ah, beneen bi du stade fédéral. stade fédéral la. y a un bail entre l'état et la fédération. non léegi FIFA. FIFA FIFA moo koy moo koy financé. waaw ah, mais soo ne état am na lu mu ci war a def kenn. non dafa am benn contrepartie boo xamante ne état waroon na ko dugal defuñu ko. tey jii le stade municipal de Sédhiou. Mais vous avez les Non, non, non, attendez. <laughs> le, municipal de Sédou. C'est la État Mais l'État a demandé à la fédération, le côté sédu

dañuy sol ndaa ndaanaan mm. mën a nekk Mbaye Diouf Dia mm. mën a nekk Jamil mën a mm. nekk man mën a nekk Augustin Senghor xam nga dama jël benn exemple bu ñu jege gis nga Lechka bi nga doon wax président berkan ministre des budgets du Maroc tout puissant tout puissant président de de vice-président de la CAF chargé chargé chargé des finances membre du conseil de la FIFA mais da ngay xool naka la Marocains yi def ëmb ko am na il a ses défauts mais dañ ko jël téye ko yëkkati ko pour di ko jéem a projeté sax peut-être mu jëli Président de la CAF. cest à que nous, loolu on doit arriver à ça hein? avec le président Augustin Senghor Il a cest à que Jamil confirme wax a ko sànq alors ah, c'est relation personnelle c'est-à-dire que l'homme ko un bilan c'est un actif et un passif mm-hmm. mais es actif lui. avoir un président de fédération mu a fini de la jëlee crise en 2009 dit que le trophée yi nga gagné quasiment sur une année mm-hmm. te li ma gën a

moo ci nekkoon expatrié. il n'était pas titré il est en train de rééditer le même coup avec les U20 yi nga xamante ne ñoo dem. les U20 yaa war a dem war a dem gardien te qualifié nañ sax d'ailleurs parce que. qualifié nañ final qualifié nañ quart U20 donc bilan bi am na passif. passif mënul ñàkk parce que lépp mënul baax. mais li ñu li ñuy wax mais nañu àndandoo. jaajëf tamit ne Pape Mbodj tey passif yooyu nga xamante ne bii nii yaa ngi koy ah, wax. mais est-ce que tamit du dara aussi su fekkante ni ñu ngi koy dénoncé aussi ngeen jël ko positivement ah. jéem a xool nan ngeen koy defee lui, sur le principe. mais respectons les formes. respectons les formes. D'accord. Par président rapidement. non sur les subventions je n'y reviens pas parce que nous, dama naan euh, magum dama dama nous... fekkee. xam nga la CCPC 2009. boo ko fa membre. membre du comité de normalisation. la fédération dugg fa dem ñu waroon changé. ma xuloo ak Augustin xuloo ba am Sénégalais fekke nañ ko li ma doon jëlee mu jël ko en compte li président la Lamone jël ko en compte ñu créé le manquoti ndam li yàlla may ñu loo xam ne mosuñu ko am Sénégal donc loolu dafa war a doy ñëpp je dis ça au président Jamil so mais manquoti ndam li indi na manquoo tasaaroo de bu mu jibi nii ban tasaaroo ah bii pourquoi tasaaroo hmm? on est tous sur amul tasaaroo non bu tasaaroo de façon yàlla day rey hmm. tasaaroo dañu amuñu tous hmm. de 60 à 2022 ñu dajaloo mànkoo dem génne cinq trophées continental loolu kay kum doyul dara doot la doy ci àddina ñu ko subvention di dëkk di gagné moo gën na gagné ko bàkkoo non non non a gën beach soccer. gagné cadet. gagné junior gagné équipe locale gagné saan bu mag bi nga naan trophée. six trophées loolu amul fenn naa la mën bu ko def. loolu li ñu benn ñu dem wuti ko. combien de temps combien de temps balaa non non je dis. la meilleure nation de football au monde c'est l'Angleterre 66 gagné comment comment c'est la meilleure nation les acteurs du football en Angleterre sont riches ça waaw ah, mais la. non équipe li ma d'accord mooy. il faut nous dire que vous avez tellement bien gagné un trophée. Comme dit Augustin, lui-même l'a dit à l'âge. Mm. Nous oublié les gars qui gagné un côté, de côté, comme si on recommençait à zéro. Ah, c'est important. Moi, nous animer tout le monde. Mais ça, on ne peut pas le faire dans la division. Il mm. faut que l'ensemble des fils. Il faut élargir ce mango-là. Mango, toutes les ressources, toutes les compétences. Pour que les toutes les compétences. <laughs> On y verra. On y verra. Non, le truc, c'est que. Euh, gis nga du fekkee du du question rek def ngeen lu rëy rek da ngeen ñu renvoyer toujours sur le rëy li ngeen def mm-hmm. gis nga ces trophées là mm-hmm. ah euh, moi j'étais pas dans l'équipe qui les a gagnés j'étais avec j'ai eu des joueurs le jour de de gagner gagné euh, j'étais pas là-bas mais j'étais avec un joueur qui était un voisin en Arabie Saoudite qui a joué en équipe nationale pendant des années et qui était pas à la cannes et je l'ai vu jubiler. On a On ensemble. s'est Sow Dembaba Non, non, non, de Moussa. Mm. Donc, beaucoup, mm. beaucoup, tout. Mm. est ce que. Euh, comme il a jubilé quand il gagne. Non, mais c'est. Euh, non, c'est un fibre sénégalais. <laughs> fibre C'est normal. Euh, moi personnellement, avec mes désaccords avec la fédération, mais je reçois plus d'appels que certains membres du comité exécutif ou de messages pour me féliciter. Oui, c'est ça. Du Sénégal du football Coupe du Monde, j'étais là à tous les matchs. J'ai des gens qui m'appellent, qui disent, ils regardent le Sénégal parce que c'est le pays des Jamil. Donc on gagne ensemble. Ce n'est pas ça le problème, c'est le Sénégal qui gagne. On ne veut pas que ces trophées, comme j'ai discuté avec quelqu'un, soient des trophées qui vont cacher un désert. Non, sois rassuré. Sur cet aspect, moi. On non, on l'a dit publiquement et on va s'y mettre. Il, faut écouter les gens. Écouter tout le monde. Il faut écouter tout, le monde. Aller de il faut aller dans le débat contradictoire. Mhm. Il faut qu'on fasse de sorte que les acteurs du football au Sénégal se retrouvent. mais aussi, dans des... Tay, euh, ces joueurs qui sont en équipe nationale A, ok, euh, ils sont déjà riches ils sont dans des clubs qui les rendent riches. Il faut maintenant qu'il y ait des retombées, que nous changeons notre gouvernance financière, que l'Igni gagne, mu aussi ces clubs amateurs mais club amateurs aussi il ne faut pas que nous talk di la fédération tout le monde doit travailler. pour que nous créions un écosystème ensemble. Ah, il nous reste 10 minutes la euh, mhm. euh, la réforme des textes hein. Mhm. Hein, la réforme des textes. ça a été inscrit euh, dans les. Euh, dernière promesse électorale du président Senghor, mais jusqu'ici, on a du mal à concrétiser tout cela. Et qu'est-ce qui explique euh, euh, D'abord, la réforme, elle est inéluctable. Augustin, comité exécutif, tous les acteurs conviennent qu'il faut réformer les textes si on veut aller de l'avant. Donc, cette réforme-là, elle est inéluctable. Mm-hmm. Maintenant, démarche Binko initiée. Non, mais, réforme, mm. réforme. Mm. mooy ci état mooy ci fédération. da ngeen diggee ko loolu yombul. da ngeen diggee ko non dafa war a nekk. parce que dafa bari ay anomalie hmm. dafa bari ay euh, ay non du ma ko wax sax anomalie damay wax ne yoo xamante ne. Hmm. Euh, dafa dépassé. c'est parce que jamono. Hmm. daf ko raw. est-ce que no promesse électorale pour loolu. mu koy bëgg a nuru xam nga même même sur le modèle économique des clubs. on est obligé d'y arriver xam nga lan moo tax. FIFA su ngeen seetlu 2011. dañu tenir benn conférence scientifique sur la professionalisation du sport en Afrique dans un hôtel de la place ñu organiser waat King Fat beneen forum sur le développement économique du sport ak Mbagnick Jamil yaa ngi fa woon ñu organiser fa beneen ak les euh, l'OAPI au King Fat toujours toujours Nous ngi doon commencer préparer les clubs en tout cas en Afrique pour une professionnalisation. ci professionnalisation professionnalisation bu mooy génneel mooy euh, génne modèle économique booy booy demee ci professionnalisation CAF jamono yi suñu club sénégalais yi dañ leen a licence club xam nga bu njëkk da nga daan bàyyi ba gagné qualifier coupe d'Afrique, je jéem a pour participer parce que CAF day am ay critères 62 63 critères yu mu lay pour nga mën a participer à ces compétitions africaines. Mm. te club sénégalais yi pour ñu mën ko réunir am na sax ay gymnastique yooyu def pour mën a arriver parce que déjà kenn amu ci stade da ngay dem signer convention ak stade amuloo club foot féminin da ngay dem signer convention ak benn club foot féminin pour man a respecter noonu mais am na euh, euh, licence club bu ñuy commencer appliquer dès cette saison pour le football local pour le championnat de Ligue mais bon, par la force. le ah, modèle économique bobu yoon day professionnalisation da fay Il parce que les la les conditions yo tout est dedans condition ba c'est qui là il faut nous gërëm les présidents du club sénégalais. Nous, sommes amateurs bu ci amateur professionnel. d'accord tay dit, xama lan motax ma interpeller sur des questions. Mhm. tay y un marché du sport sénégalais mais ken quantifié wu ko kenn est ci ben étude. mais lolu responsabilité première état la bala ñu wax fédéral xama lan les équipements sportifs annuellement importés au Sénégal a pas jaar douane a un Grand bay, douane di ci prélever ay ay taxes douanières à combien s'élèvent les taxes douanières prélevées sur les équipements sportifs annuellement importés au Sénégal Quand tey ñoom duñ la ko wax les clubs les sportifs sénégalais ils n'y en Europe ah nous sommes peut-être troisième après le Ghana qui travaille ici après le Nigeria qui fait plus de 200 millions d'habitants le Ghana autour de 40 millions d'habitants ñun Sénégal le troisième exportateur de footballeurs professionnels. Afrique ñooñu il gagne de l'argent macha allah réinvestir dans ce pays soit pour entretenir ces ménage wala dans l'économie tey jii système financier les sportifs identifiés ils transfèrent par an tant de millions ou tant de milliards dans l'économie nationale. Vous pensez qu'ils ne le font pas Vous pensez qu'ils ne le font sans les interroger hmm? Non, non, mais bah, parce que moi je peux transférer de l'argent par le canal de Mbaye Mais vous ah pensez non, mais au plan formel, au plan formel. Mais pas. C'est notre responsabilité à nous tous, pas seulement à l'État. Moi, en tant qu'entreprise qui travaille dans le sport, je dois pouvoir mener aussi des aujourd'hui euh, lors du forum de du King Fat, moi j'ai interrogé le interpellé le directeur du CEPOT sur les comptes économiques. Il n'y a pas de compte économique euh, spécifique au sport. D'ailleurs, le sport est dilué dans des secteurs comme le bâtiment et les télécoms. Alors que c'est un secteur d'activité à part. Mais euh, le sport, aujourd'hui, dans le monde, c'est quoi C'est 5 millions d'emplois dans le monde. C'est 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Après, on nous dit, il faut s'il y a un domaine où nous, pays pauvres, pays en voie de développement, on peut rivaliser avec les pays les plus industrialisés. C'est dans le football. D'accord c'est dans le football rek lañ a dem di rivaliser le Japon ay Allemagne ay bah, États-Unis ay France ak yu demee noonu. Mbaye Diouf la réforme des textes. c'est ci cërëwee ci wax ci biir ci c'est qu'il c'est et d'ailleurs et d'ailleurs c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa médaille olympique. Ah voilà Amadou Diaba on l'a dit tout à l'heure. mais c'est qu'il est tellement c'est tellement vrai qu'aujourd'hui ça fait ça fait 5 ou 10 ans on est 18 e mondial. avec l'équipe A. classement FIFA dans le monde le Sénégal est placé dans les 20 premières nations du monde, le monde, je dis. Mm. Je dis même pas l'Afrique, les 51 peu on est combien dans le monde Près 500 et quelques pays. Le Sénégal, depuis 10 ans, est dans le top 20. Alors, ah. c'est pour te dire que le sport on doit avoir une euh, importance. On est 211 à peu près fédération à la FIFA. on est 18e, 18 18e mondial. Ah. De tout le temps. Donc, ça veut dire que ah. la performance, elle est... aussi une comme dit le président Diamine ça peut générer énormément de ressources. Le Brésil, euh, l'Italie est passée par là donc mhm. l'autre mais la réforme des textes pour que vraiment nous dépassions, on en a débattu lors de l'AG mhm. tout le monde que ce soit le programme de l'UEMOA le président Augustin Senghor mon programme le programme de tout ce qui tourne autour du football c'était que qu'on fasse la réforme des textes pour adapter normalement l'évolution du football Bidef mhm. par rapport au texte qui doit nous mener vraiment pour nous professionnaliser beaucoup de choses on en a débattu on est parti voir les ligues régionales on est reparti les voir on a envoyé la FIFA ça a pris du temps la FIFA nous a ramené le document le document est reparti parce que j'ai entendu Abdou di C'est que aussi il faut que on ne peut pas donner un document brillant à des gens pour qu'on ait dit tu ce qu'on peut c'est l'exposer devant les gens euh, sur l'ordinateur on corrige on corrige. non non non ça arrivera ce moment arrivera ça arrivera quand la aura quand l'État aura fait ses observations. tout stabiliser on est obligé de partager avec les. non non vous êtes obligé de partager ça à dire moi les textes je ne vais pas du ma si wax lu bëri xam nga. Euh, c'est les textes qui nous gouvernent. il faut qu'on ait nous un consensus entre nous balaa textes biti. c'est déjà fait non non non euh, grand Bay, gis nga y a des dysfonctionnements euh, dans la gestion de de foot parce que a peut-être vous êtes dans une ligue vous avez tout moi. je vous dis une chose je, vous dis une chose c'est-à-dire que j'ai j'ai j'ai été appelé un jour pour me dire Texi Agni euh, vous avez 48 heures euh, pour, euh, j'ai dit je ne fais pas d'observation parce que ce n'est pas sérieux. Peut-être que ce n'est pas le cas pour ah vous, mais c'est ça le problème. Il faut, il faut, que nous soyons un peu plus. Au-delà des communications, moi je pense que la fédération, elle ne peut pas continuer à dire je passe par les ligues et tout. À un moment donné, il y a des communications, il faut avoir des pas nous dire pour qu'on les attend j'ai entendu l'exposé hein, du président Kosso, Kosso mm-hmm. Et lui muy wax je ne sais pas euh, ndax non la gauche la le droite mais lui muy wax xel c'est cohérent franchement c'est très cohérent. absolument après nous non di demewul nii demewul mais il faut qu'on gis nga affaire yi bu mm-hmm. si la fédération euh, elle met tout sur table. nous xam le lu ñuy def vous nous avez fait valider un budget borné budget on ne dit pas acclamation mais c'est des faits qui sont graves c'est que l'état même ne vous prendra pas au sérieux mais quand on dit oui bon le représentant du ministre était là euh, il a il a bien mais il va jamais vous désapprouver devant tout le monde il va prendre ses observations il va y donner gis nga dañu que ñu nek une famille solidaire famille solidaire nak moy les liñu wara xex ñu